Radio à Dakar. Ah, j'ai trouvé. Childish Gambino. Childish Gambino, This is America. C'est moi le son qui m'a le plus tué cette année. J'ai regardé le clip plus que le clip yi dafa génn. ma koy ma koy di upload comme man su ma génnewee samay clip di xool ndax view yaa ngi ou wala commentaire yaa ngi comme si man maa ko quoi tellement je suis tellement comme si man maa def le gars il m'a tellement marqué j'aurais aimé man def lolu quoi géjoon na nit génne dara lépp parfait man vidéo bi son bi beat bi chorégraphie direction artistique bi l'artiste de rien que pour vidéo j'ai envie de le donner à Childish Gambino mais j'hésite entre euh, ci hip hop hein, j'hésite entre Childish Gambino et Kendrick Lamar je parlais de Kendrick Lamar tout à l'heure, je l'ai vu en concert, c'était vraiment ouf. Je vais dire, ouais, le concert de Kendrick Lamar, Euh, bah, en parlait tout de suite là, avant, avec mon frère. Bah, c'est Cher Diop qui s'est brûlé là et tout. Ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment marqué parce que j'ai suivi que le gars, dañu amputé loxom, xam nga, mu top gars yi di daw. Euh, dama gis ben dernier dernier témoignage mu daw sama yaram quoi, bu expliqué expliquer ne xam nga daw na ba son mais légui ni sess na. Muy wax lolu, def na vidéo di wax lolu mais dégguñu ko. Donc biñ ko dégulé, euh, dem na def lu muy def quoi donc loolu du man du lu ñu mën a woowee xaru quoi pour man loolu nit ku ñu ku ñu ku ñu négligé la ku ñu seetaan la quoi. Mon plus grand regret, bah, c'est pas, c'est de pas avoir euh, clippé plus de sons de mon album Massina, parce que euh, j'avais tellement d'idées. Le Mouboukon def Frève, ko Après, bon, on a sorti ça et ça, et ça a bien marché, machallah, tu vois, ba ay MTV, Base Africa, ñu faire une après, on a laissé le truc buzzer tout seul. Mais j'aurais bien aimé ouais, clipper genre, un son comme coulisses avant. Mais là, là, dina même si vous 2019, Inch'Allah, En tout cas, j'ai fait une exposition d'un peintre là, de Basquiat. J'ai toujours kiffé et tout. Et ouais, ça m'a. Pour moi, c'était un voyage, même si c'était dans Paris même, j'ai pas pris <laughs> d'avion. Mais c'était un voyage. Le gars, j'ai vu ses peintures en face de moi. Je me disais que les peintures, vraiment, émotion yi nekk ci moom naqar bi nekk ci moom ak lu mu exprimer c'est tellement fort que da ngay jàkkaarloog affaire yi nii mu mel ay image la yuy bouger peinture la bu figé mais comme comme si vidéo la et par rapport ak boo liiree ñu expliqué moom lu mu bëggoon wax message de paix yu mu bëggoon jàllale par rapport ak peinture am ak yooyu ak nu mu doon xeexee contre le racisme ça m'a vraiment fait voyager et ça m'a vraiment marqué. Bah, souhaitez-moi des hits, euh, souhaitez-moi des millions de vues, des millions de streams et pousse euh, ñu gën a pousse li ñuy def muy muy rap sen rap wolof ci kanam mu mu dem parce que ñi ngi ci carrément euh, xam nga jéem ubbi yeneen bunt parce que la langue n'est pas une barrière loolu laay wax depuis bi moy commencé 2013 2014 te ñi ngi ci ñi ngi ci yoon bi di pour gën ko prouver donc waaye euh, plus de plus de hits. si si faut me souhaiter un featuring, bah avec Charles Gambino. 102.3, <laughs> le nouveau son.